alors vous professeur Abou gis directeur général Boussard. SAR la situation n'est pas aussi mauvaise parce que vous faites comme c'était le cas dinañu que peut-être carburant ou l'électricité. vous pensez que c'est juste pour rassurer voilà tel est réellement le cas euh, je pense que c'est pour euh, rassurer. C'est de son devoir quand même. Il gère une société et puis il y a un type de communication pour tenir mais ce qu'il faut retenir mooy nekk euh, secteur hydrocarbure yi affaire SAR biñ ko yàqee dafa yàgg waaw problème yi biñ ñu commencé dafa yàgg depuis libéralisation bi en 1994 biñ ko ubbee ci la SAR njëkk am déficit SAR mosul am déficit mais biñu ñu ubbee bi ko libéraliser ba les majors yi ñuy wax les grandes entreprises la dugg ci la SAR commencé am problème waaw ça nga boole ci ces problèmes de gestion waaw qui sont récurrents au niveau de la SAR waaw y ñu ngi wax scandale de 40 milliards mais il y avait un scandale de 100 milliards n'y xamné pas jitu won waaw ñu de l'argent mais xamné ne xamul ni ñu ko dépensé euh, dafa melni dafa duggé buntu bi génn et ça c'est un directeur général de la SAR qui le disait mm-hmm. pour dire que problème yi yàgg nañu fa waaw affaire essence nag bu ñu moytuwul ak euh, carburant bi ma bëgg a wax ak yooyu suñu moytuwul lii daal dëkk yi ñuy wër yépp di produire pétrole c'est des ay dëkk yu am pétrole lañu te dërëm duñu ko ci am waaw mënul développer seen dëkk mënul def dara bu ñu moytuwul moom moo fi am waaw euh, euh, sooy seet SAR plusieurs fois day am ay problème d'approvisionnement da koy am souvent waaw bu ko amee état bi moy muju délivrer ay permis d'importation pour délivrer les sociétés étrangères ñu dem jëndi indi waaw à la place de de la SAR bi nga xamné nous waron def capacité SAR euh, production le fait que ñuy investir comme ils l'ont dit pour augmenter capacité de production bi quand même dafa touti par rapport à li nga xamné mom xaar ils sont à un million deux tonnes dengue té te yegg millions cinq tonnes waaw pour dire que kon y a un gap qui est énorme boo xam ne war nañu investir te dafa war a am sa capacité wu 10 000 tonnes par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui mais moi je pense que politique bu bonne, la politique est état waaw déjà gestion sobre et vertueuse ñu ñuy il faut que nous am quand c'est avec de la rigueur qu'on gère des entreprises comme ay SAR c'est énormément d'argent les euh, enjeux yi comme ni nga ko des enjeux stratégiques parce que so maîtriser ces énergies, maîtriser nga lépp Lénine disait euh, le socialisme euh, c'est euh, le peuple et le courant waaw pour mon prolétariat ak ak courant ñom mom moy économie pour dire que énergie ni nga xamné dafa amé doole non, ci état Total nak hein, c'est une société bo xamné ñepp ñëpp ces manières de faire ak yooyu yëpp ñëpp xam nañ ko c'est connu partout dans le monde tey bañ nañ ko ba am nañu ay station yu bëri yoo xam ne ñu ngi nekk fii mais ci yeneen tour lañ nekk dañuy sax dindi effacer tour total dugal beneen tour seeni seeni seeni façon de faire c'est connu dans le monde en entier waaw ni nga xam ne moom la ñuy kii donc vous êtes d'accord ak ñi jàpp ni xëy na maguy la pour euh, yokk euh, action mais fu ñu dem jaxase ko hmm. pour jël yëpp ak ko ça ils le font de tout temps. Mhm. même contrat ils signent. signé ñu la rentabilité est de 6 pour cent 1,5 mhm. pour ban Sénégalais moo ci am xam-xam wala vérifier ko vérifier wala nangam déjà on est en train d'arnaquer la population sénégalaise. on a un programme mais il faut qu'on fasse très attention mhm. parce que rentabilité ça ne s'explique pas l'État l'union de rentabilité à 6 ah, ce sera partagé entre ces sociétés là ak l'État fan la regarde jaar ba rentabilité bi mën a toll noonu yii ñu 1,5 pour rentabilité l'État à 80 ça veut dire qu'il n'y a rien du tout yi on parle de 6 pour dire que kon ni ñuy présenter euh, l' du pétrole dafa mel sax c' pas quelque chose d'intéressant. intéressant waaw parce que bu fekkee ressources yi ñuy xaar yépp ci suñu pétrole bi. Euh, war euh, exploitation gazière ak yooyu yëpp euh, du ñu 500 ki 600 milliards par an dégg moins que le service de la dette hein, deux fois moins que la masse salariale ça veut dire que nous ngi commencé du dugg qui loo xam ne du dara waaw boo Sénégal comme nous mu ko toute la chaîne doit être maîtrisée par des Sénégalais. Mhm. Aujourd'hui, Sénégalais, New York a une station essence. Ils, ils ont reculé à l'intérieur. Pourquoi Parce que même sur le plan foncier, les terres sont tellement chères à Dakar que société Yungandé, les majors là, ils ont am pour jënd mhm. sénégalais ils ont exploité les terres dans les régions avec patriotisme économique il faut nous en fii c'est ça notre problème fondamental Benen la corruption la médiocrité dans tout ce qu'on fait on voit la médiocrité nous nous tous, moi nous, c'est très bien que l'Oc Afrique, Khadim Babo, mhm. a un pourcentage il réfléchit en tant que financier quand il réfléchit en tant que financier de il réfléchit en tant que en, termes de rentabilité c'est extrêmement important que Mounek fofu. bien sûr qu'il va tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il verra que euh, les investissements nous avons détourner à d'autres objectifs. C'est ce qui donné l'ICS. C'est ce qui donné la société Quand on dit 100 milliards, on détourne 80 milliards de leurs objectifs. Justement, il y a un peu gestion SAR. Il y a 100 milliards. Euh, donc, nous avons dit 40 milliards. Est-ce que nous devons fait un audit pour SAR Mais audit, euh, nous avons tout le temps dit audit ñu ne auditeurs yi ñu nangam même même service yoy sax dañu am service d'audit xam nga lo xam ne dañ koy def par complaisance dégg c'est pas du du quelque chose de rigoureux wala nangam audit sénégalais yi dem nañu ba ils ont perdu foi dégg nga ci affaire euh, euh, lépp loo tudd audit. dégg nga Cour des comptes seen rapport bi coow laa ngi fi batay sénégalais yi diko waxtane fenen ak fenen ak fenen hein ah, il faut que ñu changer bu fekkee dañu bëgg avancer waaw am une gestion orthodoxe c'est bien que y am un financier qui est à l'intérieur euh, Total je sais c'est très juteux comme nous pouvons ko Wow, parce que son équestre, SAR au cœur de toute la production euh, euh, au Sénégal mais il faut que Sénégal Sénégalais sait, li nga xam ne noonu Khadim s'il tire sur la sonnette d'alarme il a raison c'est un financier qui veut bëgg rentabilité que mu fa mhm. mais on entend c'est comme une mafia on a entendu tellement de choses hein. même Baba comment ils l'ont écarté dégg pour c'est il y a énormément de choses à redire sur ça mhm. waaw li ci bon c'est cette nébuleuse totale dans tout ce qu'on fait dans ce pays-là il y a jamais de politique de transparence mhm. même les économistes pour travailler euh, je parle sous ton contrôle ils sont obligés D'y spéculer. d'imaginer, d'y dégg fi folle, parce que chiffre sax duñ la ko justement parce que fofu l'accès à l'information ça pose problème il non waaw y a pas loolu loi on la le droit à l'information et le droit à la transparence dans les pays qui sont développés Dengue, je c'est tout le temps les pays scandinaves parce que dama les xam n'importe quel citoyen peut à n'importe quel moment saisir une institution dégg nga wala une entreprise étatique wala nangam mais je veux toute la gestion légui légui légui bu mu la dañ ko koy jox ci ça si c'est la loi pour que mu xol génn ci li nga xamné mo ci nek ak yoyu ñun tologuñu fofu même comme même ni ñi négocier suñu contrat yi hein les léeboon lipone la rek waaw ah, li ci ëpp xamuñu naka la demee total nak mom comme ni mu ko waxé hein moi je suis un patriote dégg te xam naa histoire économie xam naa itam li fi France samp boobu ba tey bu doon sama sago du ñu sax xanda foofu waaw et puis mën nañu dëggal SAR moo taxaw parce que SAR mën naa fournir du pétrole ak toute la sous-région ici waaw il faut que yooyu ah, ñu xoolaat li nga xam ne moom la ñuy def waaw mais nag daal euh, euh, euh, corruption ak ay mauvaise gestion dans les entreprises loolu moom dafa war a jeex. Mhm. alors euh, décision euh, bi nga xamante ne ni Khadim Ba jël na ko euh, c'est pas encore acté parce que ñu ngi wax ne ay waxtaan dina am tey rek dégg nañ ko ci journaux yi alors mais est-ce que gisuñu ne tey jii état mooy responsable moom moo bàyyi situation bi pourrir. mais c'est l'état non seulement l'état est responsable mais lu yàqu saar itam état ko yàq état mooy lekk xaalisam état moo koy leb du ko fay état mooy dajale yëpp c'est l'état Sénélec c'est l'état. Il ay taxes dégg au départ bu importer parce que les marges bénéficiaires pour la SAR c'est des marges très étroites waaw ndax ay taxes il ne peut pas mener leur politique soo nekkee dans le secteur du pétrole da nga a stock d'argent par exemple bu produit yi baissé prix yi baissé nga a capitaliser lu pour pouvoir faire face à une éventuelle hausse. Ça, ça devait être des sociétés extrêmement liquides y eu des milliers de milliards. vous mhm. faites ci yu normal mhm. ils sont là en train de tirer le diable par la queue. état toujours fou mon avec la manière de faire ak problème comment la ça peut être déficitaire sur surendetté. Ah. À cause de l'État, j'ai entendu qu'il leur doivent 200 milliards. 200 milliards, l'État est au cœur. waaw ñu ngi koy jàmba nag mais affaire pétrole bi de l'exploitation, euh, euh, euh, de de la prospection à l'exploitation, hein, tout est dans une nébuleuse totale. C'est une manière c'est une méthode yooyu bu ko ah SAR tôt ou da nga dégg ne tubaab yi jënd nañ ko. Et, et, justement par rapport à lii yëpp euh, professeur Abou Ly Mansour lan la ñu mën a xaar comme conséquence. par rapport à la par rapport à gap euh, ñàkk euh, transparence bi par rapport à gap 40 milliards bi ñuy dégg. surtout ci Senelec nga xamante ne nii Sarr lay liggéeyal. waaw parce que moom li mu wax dëgg la xam nga temps temps Sarr endettement bi muy dette yi muy am Senelec moo koy teg. Mm-hmm. parce que Senelec c'est le premier client de la SAR, mm-hmm. donc Senelec day des day jox parce que ça il faut mu jox lek par force en plus état moo majoritaire sen lek c'est une affaire de sécurité nationale parce que Sénégal il faut mu am électricité mm-hmm. donc ça daf fait jox par force maintenant c'est à l'état de pays maintenant tant l'état est face à certains déficits à des points de trésorerie ça tout le monde le sait mm-hmm. heure comme ni le ko la SAR xam à partir de 2007 quand ah, il avait mis un gars qui s'appelle Gabriel, Gabriel Sagna comme ça, mm avait récupéré la SAR totalement. À 90%, Sénégal, même SAR. y a eu des problèmes pour investir. Ben Laden, les Saoudiens là, oui. nous, dit Adjaïlen, 34%. a presque 56%. Totalement 10%. Maintenant, Ben Laden, il a commencé am ay dafay parce que Ben Laden am y avait des problèmes de Ben au niveau de de l'Arabie saoudite bi c'était des problèmes au niveau interne ils avaient un accident c'est un groupe pour woon ay pèlerins donc on avait plus de mesures il fallait que se retire et là on a vu un Sénégalais qui est venu qui est, qui a dit aux gens comment j'ai je prépare le problème hum. de la c'est l'Afrique. L'Afrique a pris le 34 mais le grand problème de la c'était quoi c'était les approvisionnements ça, il faisait des appels d'affaires internationaux. Il y avait Itok qui était là-bas. Je me avec le Prantakal, quand il est venu, il y a Itok qui était là-bas et tout. Hadimba a créé deux entités ça à dire que l'Ocafrique, avec une emprise, moom a andi les bateaux de pétrole. Mhm. les navires moo qui andi ba donc ça avait réglé tous les problèmes de l'approvisionnement de la SAR. SAR les machines sont là-bas peut-être a un problème de capacité capacité de, de, de, de production, mais les machines, etc. Donc le problème qui était l'approvisionnement a été réglé. Maintenant, le problème de Drassar, c'est un problème de gestion, comme il l'a dit. Il y a des problèmes financiers à l'intérieur de Drassar, il y a des problèmes de gestion. Le L'Ocafrique dit, il n'y a pas de problème, de peux pour tous les navires avec ma ligne de crédit, mais le problème c'est en interne. Vraiment, il y a le, directeur général qui est là-bas, qui est Céline Bou, qui est un expert du pétrole, qui est dans le métier depuis des années. Mais tant, tant, il y a certaines décisions qu'on ne peut pas comprendre. Et puis il faut qu'on xam une affaire aussi l'État va toujours garder l'information au niveau de la sa Personne n'aura l'information. Les journalistes là, ils vont tourner autour, mais personne n'aura l'information au niveau de la sa Quand Hadim a démissionné, il y a Samuel Sa, qui le représentant dans le conseil d'administration, les ministres ils l'ont appelé. Ça dit que information du on va le en interne. Mais personne ne peut comprendre que dans une entreprise comme la ça, qu'on met sans des lignes de crédit pour l'importation qui est tellement décisif mhm. et qu'on puise 40 milliards sans que le conseil d'administration soit au courant. Mhm. Personne ne peut le comprendre. Mhm. Ils ont parlé de choix de gestion, le droit. Non, ils ont investi sur des investissements futurs. Ils doivent préparer la SAR de demain, parce que demain, il y aura... Personne ne comprend pas ça. Personne ne le comprend. C'est pourquoi Khadim a démissionné. Mais depuis six mois, à la SAR, ça marche. Hein? On importe, les gens travaillent, il y a la ligne de crédit. Maintenant, le seul problème, c'était l'État. Parce que l'État avait des déficits peut-être au niveau du budget. L'État était obligé d'augmenter un peu les prix des, tarifs de l'électricité. L'État doit payer beaucoup d'argent à certaines entreprises comme la Sénélec. L'État doit payer de l'argent à la SAR. Il y a des problèmes un peu au niveau de l'État pour faire face à certaines de ces dépenses. Mais au niveau de la SAR, l'activité marchait. Maintenant, le grand problème, c'était l'État du Sénégal qui était là face aux obligations du FMI, qui doit respecter, respecter le déficit budgétaire. tous ces problèmes-là l'État ne ba plus supporter les 5 j'avais donné ça aux consommateurs ce qui a fait que prix a donc on est face à un état conséquence le Sénégal a été dégradé un peu maintenant on a dit l'état vous avez fait tellement d'investissements les, terres et tout ça et ça ça a affecté le budget maintenant on vous dégrade et puis en plus on va le, le périmètre de la dette va être partout Sénégal toutes les la euh, parapubliques, mhm. on va les mettre dedans. Comme ça, vous allez faire attention. Mhm. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'on a vécu. On l'a vécu ces trois derniers mois, quatre derniers mois, six derniers mois. Mhm. Et l'on a affecté des entreprises comme la SAR, des affecté des comme la SENLEC. Qu'est-ce qui s'est passé pour la SENLEC On est obligé de donner aux consommateurs d'augmenter un peu les tarifs. Qu'est-ce qui s'est passé avec la SAR La SENLEC va avoir un peu des retards de paiement avec la SAR. Mais au niveau de la SAR, depuis que Hadimba est là, depuis qu'il a mis sa caution, mais quand tu mets ta cochon, mais le, pétrole, ça vient, hein, parce qu'on sait que la banque va payer. Il y a une caution qui est là. Absolument. Il y a une caution qui est là. Mais le problème, c'est vraiment au niveau de l'État, au niveau du management, au niveau de la dépense publique du Sénégal. C'est là où le problème se pose. Mais je pense que peut-être vont essayer de trouver une solution à ça le plus rapidement possible. Alors, vous avez une situation, est-ce que nous avons une société de raffinage fixe au Sénégal non parce que l'instant, ça, ça peut aller à 1 ay un million quelque mais ça, peut aller 1 million 500. aujourd'hui quand vous partez à la SAR il y a beaucoup d'espace on peut encore vraiment développer la SAR au niveau du stockage des Sénégalais des privés sénégalais parce que exemple il y a il qui est là il y a des privés sénégalais qui stockent qui achètent qui stockent et qui peuvent vendre à la SAR parce qu'on va après on va venir à ça en ce moment précis une deuxième, raffinerie, je ne pense pas, parce qu'une deuxième raffinerie, l'État ne peut pas le faire. Ça coûte beaucoup d'argent. L'État est dans le service public, peut-être des étrangers pourront venir. Une entreprise comme Shell International pourra dire, mais je peux venir au Sénégal pour faire une deuxième raffinerie. Les gens vont lui dire, non, non, non. La, raffinerie du, raffinage du pétrole, ça va être une affaire du Sénégal. Personne ne l'aura, ça va être une affaire du Sénégal. Parce que c'est ce raffinage-là qui permet d'avoir de l'électricité partout dans le pays. Comme je vous l'ai dit, l'électricité, il faut que ça soit c'est la sécurité nationale d'un pays. C'est vrai. Ça dit que c'est l'électricité qui permet, qui donne aux ménages, aux entreprises. Ici, il doit y avoir de l'électricité pour que ça marche. à la maison, la nuit, il faut qu'il y ait de l'électricité pour que ça marche. Donc, partout dans les pays, c'est l'État qui gère à 100%. C'est vrai. C'est ça le problème. Et si, si l'électricité, Bob, ça, la nuit, parce que nous avons que situation a changé Il le bataille, un groupe Sénégal, nous avons dit que trimestre que 2020, une évolution. Est-ce que cela ne prouve pas un peu que nous sommes impuissants par rapport à ça? Oui, mais, nous savons que le est boy wax euh, ki mauvaise gestion rek Senelec moo tax ñuy wax voilà voilà une société bo xamné ne kenn mënul comprendre amna yo xamné mathématiquement parlant kenn mënul comprendre waaw qu'une société comme la Senelec li muy defar ñëpp ko bëgg dégg nga tout le monde est forcé à lâcher. dégg nga il a tout le monopole ba noppi mënul am bénéfice waaw loolu xam nga ne xajul ci xajul ci xel waaw yow la demande est deux fois supérieure à l'offre ah ngay jaay à un prix qui est, qui est l'un des plus euh, nous cher en Afrique et peut-être dans le monde Banopi, mono, un bénéfice c'est des trucs qu'on n'explique pas mauvaise gestion mm-hmm. c'est une euh, fa euh, euh, manière de faire Donc, de gérer la Sénélec Inch'Allah, nous changer il faut que Sénélec diversifie ses moyens de production waouh parce que kenn mënul expliquer loolu boo toogee tubaab bu ñuy gis naaj bi fii dafa naan mais comment se fait-il que yéen ba tey ngeen toll ci air boobu ah ci ci jamono yu yu xewi yooyu mhm. ah di jël essence ah pour créer de l'électricité mhm. c'est inimaginable tu prends un pays comme la comme la Norvège Norvège mhm. Norvège li ñu am ci ensoleillement ci at mi mais xanaa xanaa 30 jours la wala 40 jours et c'est les premiers au monde en production d'énergie solaire waaw thermodynamique euh, euh, solaire euh, c'est la ñu nekk maanaam ci suuf dégg chaleur bi la utilisons. utiliser ak mhm. regarde la bataille, il faut que Sénélec prospecte prospecter d'autres voies ça ne peut pas continuer ñuy produire de l'électricité avec de l'essence il faut nous arrêter déjà mhm. waaw beneen bi na état génne loxoom ci Sénélec Sénélec c'est pour l'État mais génne loxoom mooy di fay Sénélec normalement dégg nga euh, bu ko lu mu ko leb fay ko bañ di puiser Sénélec noonu la ñuy def société nationale yëpp dañ leen di ngàcc bañ jeex tàkk dégg nga ba noppi di ko répercuter di wut ay faux fuyants lu nekk ñuy wax comme il l'a dit li nekk ci biir doo ko xam. Mm-hmm. waaw mais tout le monde sait que quelque part il y a des saignées il y a des fuites ça provient de l'État ça ne va pas s'améliorer ça va s'accélérer mm-hmm. parce que pour une fàtte ci période d'ajustement structurel la dette du Sénégal est à 8066 066 milliards malgré les lignes, wax ont dit, que ci ñoom ci seen journaux yi ak seeni euh, euh, discours le Sénégal a des problèmes mm-hmm. waaw Euh, ñuy fay rien que le budget du Sénégal est ça tourne autour de 2 500 milliards budget moy l'ensemble des recettes ak yi ñuy coow yëpp bu yeneen don yu ci kii ak nangam nangam soo xoolee service de la dette ak euh, masse salariale bi ça bouffe le budget mooy tolloo ak budget bi daanaka waaw si pour dire qu'il n'y a presque pas euh, euh, amuñu yeneen moyen dégg supplémentaire pour mën mener une politique normale wala yooyu problème au Sénélec c'est un problème structurel il faut que nous, ñi dugg changer biir changé ko terme et puis avec toute la rigueur qui est requise Nous, mhm. avons nag le Sénélec à tas avec le dernier DG qui se faisait passer comme un un très grand euh, euh, euh, économiste, un très grand administrateur, finalement, on a vu la montagne qui a accouché d'une souris. D'accord. Alors, dès que nous autorité, à chaque fois, nous avons accès universel à l'électricité, à l'eau. Nous avons fait le président de la République a inauguré une centrale éolienne. Mais est-ce que l'eau, nous avons dit que nous pour dem accès universel pour l'eau wax. mais déjà parc éolien hein, c'est une aberration Donc, nous avons ne soleil rek mais bu fekkone allemand yi ñoom ñoo dekkone tay Sénégal hein? Ah, ken waxatu ko waaw danañu produire courant avec l'énergie solaire rek ah ba mëna dem waaw euh, toujours ken xamul lan la moi j'ai l'impression que projets yi ñi indi fi c'est les projets des entreprises européennes ah, Moi, moy moy offre spontanée yi rek il regarde quelque chose une opportunité il crée ça ne mën nañ ko financer nangam nangam ils y vont euh, parc éolien bien sûr que c'est euh, c'est intéressant mais Danemark ba nga il faut le la qui ci à bi hein. soleil laal énergie éolienne Si mhm. on fait tout à l'envers y y a wax Sarr bu euh, Sarr lu tax état bi di dem bay autoriser une société xam nga l'arrêt de mort de la sar, mon y lan l'importation de produits finis et ça se fait mhm. waaw am nañu sax projet c'est pour un quai de bateau dégg pour des produits finis bo xam da fay ñëw koku bés bu ñewé dé nañu ils ont su ils ont aussi signé les accords de partenariat économique mais Sénégalais yi dañ koy faté toujours dégg mo leen teunk ci yu bari itam waaw euh, pour dire que fondamentalement dégg il faut que ñu xol li nga xam mom lañu am comme ressource dégg nga ci ressource yoyu waaw Sénélec ne tourner vers le solaire hein, mën régler une bonne partie de ces problèmes-là. waaw ay jéego gisuma je vois avec ay cafouillage ana centrale à charbon bi ñu tout le temps yele. dem nañ ba ci biir gis que c'est une c'est une catastrophe euh, euh, euh, écologique boo xam ne mara day finalement ñu reti ñu retiré mais un état ne peut pas réfléchir comme ça état mënul nekk ci cafouillage dégg nga tey la le ils autorisent ça alors qu'ils ne voulaient pas avoir ça mmh. dafa dafa doy tout ça j'ai dit que le problème fondamental Sénégal moi, la gestion cette gouvernance dingue, la gestion au niveau des entreprises c'est Sénélec la fa comme Gabéji, qui xamul mhm. la fa comme corruption itam ngi koy mhm. problème. alors ben, suñu problème parce que ko courant également wax ndox gis nañ ni que sen eau bi ñu ba que facture dafa également que qualité ndox bi changé est-ce que ñi doon finalement ils pas raison. waaw bon ça dépend parce que Sen eau. C'est vrai que c'est un remplacé SDE. Mm-hmm. donc e, signé contrat avec l'État à partir d'un cahier le cahier de charge. a fait un cahier de charge Nous mm-hmm. avons toutes les conditions du cahier de charge le marché. en fait nous avons a diagnostic par force. Mm-hmm. nous commencé diagnostic pour a stage instant yi ñu ngi diagnostic bi instant ils sont c'est une stratégie de commencer buñ ko dawal CNO c'est la filiale de Suez Suez c'est un géant mondial des métiers de l'eau et de l'environnement mm-hmm. donc instant yi ñu ngi seen diagnostic une stratégie ñëwagul ba légui parce que ils font le quotidien c'est-à-dire que liñ fi bàyyi woon mom lañuy nekk di si liggéey di si liggéey di liggéey franchement j'ai vu que les gens tentent ni ñu ngi sen facture dafa yokku sen facture dafa wañéku mais ba SONES parce que dans le secteur de l'eau il y a la SONES et il y a le mm-hmm. SONES rôle moy moy gérer patrimoine bi mais aussi moy contrôler la qualité du service parce que c'est l'État. Mm-hmm. SONES État les représenter maintenant parce que yooyu seen senes il faut me voir si dégguma senes deux dégguma seen oo wax. mais ça ne veut pas dire que nous sommes sur ko ci ni yokk bi parce que. je suis un na am na consommateur yi wax si de temps en temps yokk bi mais des consommateurs am bu amee te seen oo commencé janvier on est au mois de mars. on n'a que deux mois est-ce que est-ce que c'est à cause de seen ou bien parce que deux mois il a que te booy dugg da ngay diagnostic bu pare instant yi. on ne va pas dire à cause de mais xam nga bu ñu nee changement on s'attend à ce que qualité bi gën baax à ce que également njëg bi gën a wàññeeku. waaw loolu mën na nekk c'est-à-dire que mais loolu pour mu nekk peut-être état mën na def benn. ci clause contrat état mënoon na def benn poussée xaw a dara au niveau des taxes pour ñu mën am. Mm-hmm. parce que instant yi au niveau de l'exploitation. pour ñu mën a am ay diminution au niveau de l'exploitation day xaw poser problème pour diminution amee rek mooy fu nga tam bu yokkoo. au bay électricité tam mbaa tam bu wàññee xamal ne l' état a joué un rôle ainsi dafa dafa dafa yokku parce que état bi dafa jékki-jékki retiré li muy doon def mais bu ko defee aussi man na ko yokk bu subventionné donc li mën a xam mooy seen o ñu ngi door a ñëw peut-être nan leen bàyyi ñu def 100 jours defaguñ seen 100 jours ba léegi avant ñuy xool ban leen qualifié ak yooyu li ñu si mën a xam mooy Ils ont respecté le cahier de charges de l'État. Ils ont respecté les doléances des travailleurs. Ils ont gardé les 1200. Ils ont connu aussi l'actionnariat des travailleurs jusqu'à 7%. Donc, un travailleur, il y a une légui, le syndicat. Peut-être qu'il y a des consommateurs qui disent que ça sama lii dafa Yoko, dafa faire pour pour ñu xam aussi affaire facture prix la ak façon de consommer Ça facture bu Yoko. ça dit qu'il y a le mètre cube d'eau, ba mais aussi il y a la façon de consommer consommateur nous consommons muy consommer ndox loolu day mm-hmm. facture moo tax il va mettre en place un grand programme de communication Par pareil aussi ils vont faire une ils vont digitaliser

KMS3 instant mu ngi si nee na régler tous les problèmes d'eau à Dakar le déficit journalier à Dakar c'est 40 000 mètres cubes jour KMS3 bu ñëwee mooy euh, troisième unité de production 200 000 mètres cubes jour Et bi instant yi loo ko wax dana daan KMS3 KMS3 KMS3 ça va venir muñ leen KMS3 mm-hmm. parce que KMS3 bu vraiment dana régler les mm-hmm. y a un déficit de 40 000 mètres cubes jour mu fi mu ngi circuler ça ça va poser problème ñun dañ da ngay yeewu guddi road, ngay root bëccëg roo am ndox mhm. loolu moo fi nekk ba léegi mais l'état est dans un projet nee nañ mu projet ak KMS 3 KMS 3 bu vraiment mën na régler problème yi bëri quoi ñu jël ci avis professeur bala waxtu bi dañu xocc waaw mais euh, facture yi ngeen di wax ne yokku na effectivement dégg naa ko fu mhm. ba déclaré na ko ma man j'ai toujours payé entre 17 000 et 22 000 par mois mhm. soudainement on m'amène 34 000 euh, euh, ce mois-ci waaw jaaxal na ma gis nga augmentation boobu ndànk-ndànk pikiir la boo xam ne dañu koy pikiir ndànk-ndànk mais l' état en a besoin l' état a besoin d' argent waaw te ay recommandations yi mooy mu yokk lépp waaw mais ñaata produit ñoo fi yokkoogum fi mu nekk te nit ñi sentiruñu ko mm-hmm. ah da ngay dem ba ci yàgg rek il faut nga bàyyi ci xel mais est ce que warul am feneen fu état tibbe pour combler gàppu xaalis boobu moo am fu dul gafa askan wi mais bi gën a bi gën waaw o oh, ñaata nit ñoo koy consommer comme courant alors bo boo ci tegee lu tuuti rek day doon xaalis bu takku boo xam ne mën nga ko ñëw pour utiliser ko ak yooyu. Ah, waaw tout. ñi ngi wax fan yëpp vérité des prix. mais lii ñu gis ni euh, bu dakkulee ci marché bi est-ce que duñu dem ba gis ni produit yëpp a yokk finalement. waaw d'accord vérité des prix je parle sous votre contrôle vérité des prix ci économie xam nga mooy lan. ah mooy euh, euh, ñu appliquer véritablement les prix li nga xam ne waaw amul subvention amul dara mooy li nga xam ne dañ ko produire 100 francs di ko 125, etc. et cetera vraiment loolu lay jar pas d'accord mais fii ban vérité des prix la New York, tout est surtaxé au Sénégal waaw lépp amul dara loo xam ne njëgam njëg bu normal lay jar il faut aller dans les pays limitrophes hein, vous verrez euh, ñu lay jaay Porto Gloria 350 yuma xamul fii déjà suñu économie bi c'est surtaxé boo xoolee taxes yi fi nek ak yooyu vérité des prix bi ñi appliqué lan la c'est la subvention de l'État la ñuy wax Bonne subvention par exemple bo jëlé essence état naka la mënee tek 67 de taxe sur un litre d'essence hein gënati né damay appliquer la vérité des prix ban vérité des prix la bobu c'est de l'arnaque waaw dans notre contexte amul mm-hmm. c'est pas vrai dégg nga buñ ñu ko naxee ah ñëpp ñu naan vérité des prix vérité des prix dans le contexte sénégalais c'est de l'arnaque. mais pourtant euh, état bi subventionné woon ciment bi après mu daal koy teggi. mais mais ba ba euh, d'accord kaay ma wax la boo subventionné ciment ah te teg ci 2000 francs sur le prix di subventionné 1000 francs nañ waxante dëgg loo subventionné. kuy def les calculs véritables dina xam ne mais kii li muy wax du dëgg. Mhm. il nous prend 3000 francs di ñu delloo 1000 francs. Mhm.

tant que amuñu en souveraineté duñu sommes en sécurité parce que dans ce monde on est vraiment dans une dimension souveraine dans une vision souveraine de toutes les politiques publiques en tout cas merci Abou Wele yow vous, ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw maa Je leen di remercier itam ci invitation bi uh-huh. di le secteur des télécommunications uh-huh. waaw parce que Coco, c'est tellement stratégique fi nga nekk nous ah, daanaka ñun suñu biir rek suñu biiti yépp ay étrangers ñoo ko ci loxo uh-huh. ça aussi il faut que nous wax patriotisme dans économique ah, c'est vrai en tout cas merci d'être venu Je remercie également mm-hmm. Dédimette Daoum. Ndaw moom andalon. depuis tout à l'heure à qui nous donne cette année. di leen rendez-vous demain Inch'Allah, même heure Benen un euh, invité ak euh, yenen Tem Inch'Allah.